Bonjour, euh, Monsieur Doudou. Bonjour. Euh, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser euh, cette rencontre ou cette réunion d'aujourd'hui Bon, c'est normal, hein, parce que normalement, sur les recommandations donc, des CDS, on doit tenir des réunions de conseil de direction qui doit être convoquée et présidée par le maire pour l'ensemble des structures sanitaires. c'est pour montrer ce qu'on est en train de faire, aussi chercher la validation auprès du maire. ce qui a été fait aujourd'hui Bon, Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Nous avons fait la situation donc, euh, devant le maire et les deux conseillers euh, de la situation de gestion donc, du 16 mai au 31 octobre. Bon, les contraintes, c'est dû à... On n'a pas beaucoup d'espace déjà. C'est la seule structure qui fonctionne à Wakam. Ça, c'est des difficultés. Donc, on reçoit beaucoup de monde. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais bon, on essaie de gérer le maximum pour satisfaire les Wakamois sur le plan sanitaire. Euh, comme solution, ce que je préconise, c'est ça, hein, avec le comité. Hein, vous allez voir l'extension qu'on veut faire de Annette Bay, avec l'ensemble des partenaires qu'on avait, euh, pour essayer encore d'aller de l'avant. Nous, on ne parle pas beaucoup, on travaille. On avait, mais on avait euh, donc réfectionné le poste avant. Ensuite, nous avons construit de nouveaux locaux. Et maintenant, on veut donc euh, aller vers euh, euh, un deuxième étage pour prendre en charge d'autres activités. Bon, pour information, pour tous les partenaires sont revenus. Et mention spéciale aux éléments français au Sénégal. Là, nous avons besoin de 78 millions. Il faut que les Wakamwa y contribuent pour qu'on puisse réaliser le projet. Les partenaires vont réagir, la mairie, le, le secrétariat exécutif, et les Wakamois, les bonnes volontés, pour qu'on puisse réaliser le projet. Dans quel sens les Wakamois vont participer ben, ils, peuvent contribuer. Hein. Nous, de toute façon, on va donner les informations qui s'y est, on va ouvrir un compte, on va organiser des activités, comme on avait fait euh, avant, donc après la pose de la première pierre de, du centre de santé Annette Baïderneville, on a organisé une soirée de gala. Eh ben, on va essayer de chercher de l'argent et pousser les partenaires à nous accompagner. Ben, on, leur, envoyerait une correspondance pour les faire participer au projet. C'est pour les Sénégalais. Hein. et on, on cherchera, on va chercher.

ils ont détourné de l'argent et je le maintiens. Beaucoup de français, je le répète, ils ont détourné de l'argent du centre. Les gestionnaires qui étaient là, je le dis haut et fort, s'ils veulent qu'ils me portent plainte. Ils ne peuvent pas déclarer dans une passation de service 40 millions. Il n'y a pas eu de passation de service d'ailleurs parce qu'ils n'avaient pas donné de documents. Ça, c'est dingue. Ils disent qu'ils ont laissé ici 40, euh, ils ont laissé comme dette 40 quelques millions, 44 millions. Or que nous, ce qu'on reçoit tous les jours, nous sommes à 52 millions c'est injuste et malhonnête de leur part c'est ce wane ne veux dire, mais ils bu ñu des si on sax lambda vont aller vont aller leur porter plainte parce que c'est leur argent c'est l'argent du contribuable personne n'a le droit de le détourner donc voilà ce qu'ils ont fait et je le parle clairement et il faut que les Wakamwa ne chassent ni situation pourquoi Bob on est resté comme ça parce que tout simplement on voulait attendre que la réunion du conseil Sciences se tienne ils ont été malhonnêtes avec les Wakamois, ils ont été malhonnêtes dans la gestion, ils ont détourné l'argent. Et les preuves sont là. Je donne un exemple. Je donne un exemple clair. Ils ont ouvert un compte à la Banque islamique. Ils ont publié partout et ils l'ont donné, distribué partout, qu'ils ont collecté 300 millions de recettes. Qu'est-ce qui a été versé à la banque 52 millions. 52 millions de Donc voilà un peu la situation. Donc nous, Mais on a repris les choses en main. Aujourd'hui, on a une seule préoccupation, renouveler le matériel qui est là, euh, individuel matériel bu bees, tabaxat bâtiment bu bees ci kaw. di ñaan ñëpp ñaanal ñu ci pour ñu mën ko réussir. Euh, waaw loolu moom am na ci ba nga xamante ne ñun ñoo war a reste lu luy communication mais leneen li dañ koy bàyyi mooy li ñu wax waa kër docteur yi ñoom ñu wax ban xalaat lañ ci lañ ci yaakaar doxale ñun ñu jàppale leen ci. mais man depuis bi ma ñëwaatee fii ba léegi partenaires yëpp ñëwaat nañ j'ai dit au maire tout de suite en réunion mois de janvier bi am na ñuy ñëw fii pour opérer. Euh, actuellement le 4 le maire doit recevoir la délégation de Horizon Sahel Horizon Sahel hôpitaux yu mak yi nek Sénégal yépp ku fi wax matériel mo hôpital bi équipé et ils sont là ambulance bi di daw actuellement ils sont là et ils vont faire une semaine à Wakam. rien que pour m'aider à, à, à, reprendre cette affaire-là. Bon, ma présence aujourd'hui s'explique euh, par le fait que nous avions eu une réunion euh, ce matin sur ma convocation j'avais euh, convoqué le comité de santé euh, pour nous faire un bilan d'étape. Nous voudrions savoir euh, dans les cinq mois qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle est la situation exacte au niveau du centre. Et on a été très satisfait des explications qui nous ont été données. Il y a des, des, engagements qui ont été pris de part et d'autre. Et ils nous ont parlé de leurs besoins, de, des problèmes qu'ils rencontrent et euh, de la situation actuelle, des difficultés. Donc euh, tout ça a été pris en compte et la mairie va faire tout son possible pour euh, essayer de régler ces problèmes. Bon, effectivement, bon, là nous sommes en train de voir le problème de façon globale. Aujourd'hui, on est au centre Andenbay et il y a eu aussi le CDS du centre Ousmane Dramé, du poste de santé Ousmane Dramé qui, était là. ils, ont assisté à la réunion. Et je pense que euh, l'insuffisance euh, de, de, salles d'opération, je ne pense pas qu'il y ait d'insuffisance de salles d'opération. Il y a insuffisance de, lits d'hospitalisation. Mais euh, il y a un projet d'extension du centre Annette Et aussi, nous pensons que des salles d'accouchement aussi, je pense qu'il y a Oui, la pédiatrie euh, effectivement euh, pose problème parce qu'on n'a pas effectivement on, vient de nous dire qu'il n'y a pas euh, a pas de médecin en, pédiatrie. tout ça, on va, on va s'occuper de tout ça. on va corriger. Et je pense que le centre de santé, le centre, comité de santé est là pour ça. Ils vont trouver des, solutions par rapport à ça. Et aujourd'hui, on était venu surtout pour voir, en plus des problèmes d'effectifs, euh, les problèmes financiers. Euh, ils nous ont fait un bilan et je pense que la situation est en train d'être redressée. Ils ont énormément de difficultés euh, par rapport à ce que l'État leur doit. Il faut qu'ils fassent un, recouvrement assez conséquent pour pouvoir améliorer les conditions du centre. Je pense que c'est ça qui a été, qui a été dit au cours de la réunion. Et euh, les doléances aussi, nous en avons reçues. reçu. Euh, on va essayer de voir ce qu'on peut faire euh, au niveau du personnel, surtout le renforcement de la sécurité. Ils n'ont pas assez de, personnel de sécurité et du personnel soignant aussi, je pense qu'il y, a quand même quelques problèmes parce que depuis que l'autre centre est fermé, le, centre centre Euh, euh, polarise beaucoup de gens aujourd'hui. Il n'y a que ce centre-là qui existe dans toute la commune. Euh, c'est pour ça qu'actuellement, on a beaucoup de difficultés à contenir tout ce monde. Mais euh, bientôt, Inch'Allah, avec l'autre centre qui, est en train d'être construit, je pense que nous allons, nous allons quand même résorber tout ça. Le message, bon, je pense qu'au centre Anad Bay, quand même, on a une qualité de, de service qui est reconnue. Euh, et euh, je pense que non seulement euh, il y a la qualité, mais aussi sur le plan financier, je pense que les gens supportent, on, on c'est pas cher quand même. Et par rapport au service qui est, rendu, je pense que les populations y trouvent vraiment leur compte. C'est pour ça que tous les jours, c'est bondé de monde. Et il y a une extension qui est prévue. Euh, on, va, on va essayer de, les aider à, réussir cette extension et à tout faire pour que les, à demander aux populations d'être un peu plus patients. Je pense que d'ici un an et demi, l'autre centre sera fonctionnel et euh, je pense que tout va aller, Inch'Allah. Bon, aussi Je euh, OTV si séance réunion réunion bi tay dañ ñëwoon pour xool fan la gars yi toll CDS bi ñu teg depuis le 16 mai dañuy changer CDS euh, CDS bu bees bi ñëw nañ euh, indil ñu benn bilan d'étape boo xam ne ne fii lañ toll def nañ euh, diagnostic li passé xool liñ fiñ ñu toll lan moo fi amoon loolu yëpp def nañ ko tey présenté nañu benn rapport bon boo xam ne quand même dal na xel euh, wax nañu seeni problème yëpp déglu nañ leen euh, je pense que incha euh, maire bi dina def lépp pour jëm leen continuer accompagner pour ñu mën a satisfaire population yi comme ni ñu koy defee. waaw euh, manque de salle bi euh, salle d'hospitalisation yooyu ñu ngi ñu koy doog a wax tey si si si diagnostic gu Annette Mbaye la si la bokk c'est un constat constaté nañ ne effectivement Annette Mbaye puisque moom rek moo fi nekk centre si boor yi yëpp moo tax tey dafa fees mais inchallah buñu défaré hôpital bële dina gën décongestionné wu te euh, je pense que euh Mbaye bay euh, mu nekk nii bokk ni ci centre yi nga xamné euh, euh sen service yi ñuy joxé vraiment service yu yu muccu ayib la té té cherul nit ñi ñu fi ñëw bu baax légui le seul problème moy jéem xol au niveau de Ousmane Dramé nak lañ nak lañ ñooñu di gëna amé euh activité euh, centre poste de santé là mais quand même euh, ñom tamit war nañu décongestionner anen bay touti ñu dem ñu dem feulé loolu yeb ñu ngi ñu ngi siy xalaat aussi euh, je pense que tay population bi dañuy muñ touti rek euh, inshallah si bu bés bu poste centre de santé ba paré euh, yu bëri dootuñu ko joy inshallah inshallah incha allah actuellement ñu ngi liggéey ci centre de santé bële ñu ngi liggéey fi aussi parce que fii tooguñu rek aussi fii dafay mag donc ñu ngi xalat tey euh, def extension def R plus 2 euh, bés bu ñu defee loolu aussi dina tax euh, yenen salle d'hospitalisation yi ñi wax wala salle d'accouchement yi dina gëna dina gëna am yenen dal légui population yi bon ñu ngi leen di massawu té di leen wax ne rek bientôt incha bëss bu centre bale pare yu bari dina dina dina dina dina seen saafara dina dina faju voilà merci beaucoup monsieur le maire